Pour les jeunes républicains, les sentinelles, nous sommes réunis aujourd'hui euh, d'après nos salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses. Nous saluons l'ensemble des républicains qui sont ici présents. Nous comptons aujourd'hui communiquer sous la forme d'une déclaration de presse euh, qui comportera deux points. Euh, premièrement, nous félicitons l'ensemble des populations de la commune de Touba euh. pour leur confiance qu'ils ont, accordée à notre candidat, le président de la République, dans le cadre de la, collecte des parrains. deuxième point, nous comptons aussi, nous avons constaté depuis l'annonce de la visite du président de la République à Touba, nous avons constaté des gens qui font des sorties dans la presse, eh, laissant entendre dans leur discours qu'ils comptent ou bien qu'ils ont l'intention de saboter cet accueil. Nous leur disons très solennellement et très respectueusement de renoncer sur leurs intentions de sabotage. Sinon, nous sommes une, une jeunesse. Notre objectif est de défendre euh, les, et de défendre les projets bien, et de défendre les intérêts du président de la République. Et nous comptons aussi faire un accueil solennel euh, pour que la visite soit une visite de succès. Nous n'excluons pas, si besoin y aura de les affronter sur le terrain pour que la visite soit une visite euh, de succès, soit une réussite pour tout le monde. li waraloon suñu ndaje mi tey xam nañ ne ñoo ngi jug màggal te màggal heure buñ ko jubee président day ñëw ci dëkk bi seet si sëriñam euh, xalifa général de Mouride ren mu tombeek euh, sëriñ taxa président war a ñëw seeti ko li waral woote bi mooy wax bien veni président de la république mu dal jàmm ñëw ci Touba euh, bu ñëwee fekk fi jàmm waaye bàyyi fi jàmm avant ñuy àgg ci loolu ñoo ngi remercier mbooleem responsable politique yi nga xam ne ñoo ngi ci département bi

dana mucc ayib ba gën a mucc ayib daaw daaw gis nañ teeru bi ñu ko teeru ci dëkk bi ñëpp di ko wax gis nañ président tey jii la jógee eh, eh, eh, ci région sud bi mu ngi woon booru Casamance gis nañ fa nañ ko teeroo Touba gii nag nga xam ne projet yi gën a rëy surtout projet bi nga xam ne moo gën a rëy ci ci ci Sénégal émergent à part terre bi euh, di autoroute Ila Touba mu defal ko waa Touba même bu dul loolu ñëw doon ganu xalifa général de Mouride kon xal ñun war nañ koo mën a teeru